Euh, je retiens de Cheikh Abdul Khadr Mbake le souvenir d'un homme pieux, d'un homme de Dieu, très calme, très sobre, euh, qui s'est directement allé à l'essentiel. Euh, je suis devenu talibé de Seigneur Abdul Khadr Mbake le 1er juillet 1984. Personne ne m'a conduit chez lui. Je me suis conduit moi-même chez lui parce que j'avais décidé de devenir un talibé mourite. Et je me suis choisi Seni Abdul Khadr Mbake. Donc ce jour euh, qui commémore euh, sa naissance est pour moi euh, l'un des jours les plus importants de l'année. C'est pourquoi j'étais en voyage en Tanzanie, j'ai dû interrompre le voyage pour venir participer à cette fête qui réunit ici à Touba non seulement les talibés de Seigneur Abdul Khadr Mbake, mais tous les disciples mourides. Donc je prie pour que l'année prochaine et les années à venir, que nous puissions encore être là euh, pour venir renouveler euh, notre affection, notre engagement euh, pour Serigne Abdou Khadr Maké et pour le Mouridisme. religieux à travers principalement, Oui, je pense que ceux qui font ces bêtises-là sont des ignorants. Parce qu'il faut être ignorant pour attaquer Cheikh Ahmadoubamba Bamba ou quelqu'un d'autre comme lui. parce que toute leur vie durant, Cheikh, Ahmadoubamba, Cheikh Ahmadou Bamba, Sidi Haj Malik, El Haj Omar Tal, Sidna Limamou, etc. etc., etc. la liste est trop longue. Euh, on ont leur temps à euh, enseigner les préceptes de l'islam, les enseignements du prophète Mohammed, euh, sallallahu alayhi wa Donc, revenir aujourd'hui pour faire le buzz, s'attaquer à Cheikh Ahmed Bamba ou à un autre marabout, c'est sûrement juste chercher à se faire une, une publicité et malheureusement une mauvaise publicité. Dernière question, la Ousmane comme ça Bon, alors, euh, je pense que Ousmane n'avait pas à revenir, même si ce qu'il dit est vrai. Il n'avait pas à dire que euh, Maître Abdoulaye Wade avait refusé d'appeler euh, le président Macky Sall. Je pense qu'il n'avait pas à, le dire, parce que le dire n'apporte rien, au contraire, le dire c'est un peu ternir l'image de Maître Abdoulaye Wade qui a quitté le pouvoir avec l'image d'un démocrate. Euh, parce que quoi qu'on dise aussi, Maître Abdoulaye aurait pu faire comme les autres. Il ne l'a pas fait euh, très tôt. ayant euh, lui-même, parce que c'est lui-même qui m'a appelé pour me demander, Maître Abdoulaye je parle de Maître Abdoulaye c'est lui qui m'a appelé pour me demander d'appeler Macky Sall avant 20h. Parce que d'après les résultats qui étaient en train de tomber au niveau des radios, Macky Sall était manifestement vainqueur du second tour. Donc je pense que Ousmane a tort de rappeler cet épisode-là et surtout que cela n'apporte rien euh, à la démocratie euh, et même euh, au contraire, cela gâche beaucoup dans ses relations avec Maître Abdoulaye et même sa réputation en tant qu'homme politique. Maintenant, j'ai entendu dire également qu'effectivement que effectivement il m'a pris à témoin, n'est-ce pas, pour, sur le point de savoir, de connaître sa position par rapport aux événements du 23 juin. Effectivement, Ousmane Gom fait partie de, ceux qui étaient contre la modification de la Constitution. Euh, en tout cas sur un point précis, à savoir euh, la, possibilité pour le candidat de conserver euh, son, autre nationalité que la nationalité sénégalaise et de choisir après son élection. Et je pense que Ousmane avait tellement insisté auprès de Ouad que le président avait fini par céder sur ce point-là et a enlevé ce changement-là qui était dans les dispositions de la Constitution qui devait faire l'objet d'une modification. Euh, kilifa go xam ne bu l'islamé won la yalla daf dimbalé won nako ko yakarna yaakaar giiru dundam imam la euh ku ko yalla baxé yakarna né euh da fay woné rek euh, sa attachement ci l'islam sa attachement ci diné euh limay japp aussi sëñ Abdou Khadre parce que man ci mom la jébalu directement te kenn yóbbu ma maa fa yóbbu sama bopp maa débrouillé wu fexé be xam fi mu dëkk

alors moo tax ma ñëw jébalu ci moom nekk taalibeem euh, ñu ngi koy fàttaliku ci bis bi toujours sax dañ koy fàttaliku moom sëñ Abdou Khadre ndax euh, bokk na ci ñi nga xam ne du leen fàtte suñu giru dund euh, di sant rek di ñaan yàlla nag mu di ñu boole toujours ci màggal gi ñu di ko fekkee di ko teewee di mën di ziyaare ay doomam di leen wër kenn ku nekk ñu toog ak yow waxtaan ak yow masawu la coono parce que gis nga nit ñi ni ñu fi bare fii ñu nekk kër Cheikh Bass noonu la mel kër Serigne Cheikh noonu la mel kër Serigne Moustapha moo fi jógee dem kër Serigne Abdou Wahab jógee fa dem kër sëñ Abdou Lahad ak kër sëñ Abdou Samad euh, yaakaar naa ne njaboot gi euh, dina fekk mu daj. kon nag ñi Serigne Touba ci internet bi waaw ñooñu moom ay nit ñu bon lañ rek ñoo xam ne xëy na yàlla moo leen bëgg alak euh, te bëgg leen a alak bu ñuy dund. parce que ku toog gis sëñ Touba li mu def ci diine li mu wax ci yonent bi li mu wax ci yàlla ak ñi meloon ni moom ak ñii ko mag sax ñu mel ni Cheikh Oumar El Hadj Oumar Tall ñu mel ni Maba Diakhouba ñu mel ni.

mënu ma jàppee rek bëgg a defal seen bopp publicité bu bon euh, te yaakaar naa ni bala ñoo faatu euh, sunu borom dina leen won euh, ne sëñ Touba bokk na ci ay tànneefam. Ousmane Ngom. waaw Ousmane Ngom dégg naa li mu wax yaakaar naa ne li mu wax waxuwul xaw ma dëgg la xaw ma du dëgg mais du lu ñuy wax parce que wax ko taxul mu yokk dara ci démocratie. xanaa kay lu ci lu lu gàkk-gàkk la ndax président Ablaye wadd bésu 25 mars moom ci boppam moo ma téléphoné ne ma.

Euh, coow lay indi ci réew mi te dafay wane rek beneen fànn boo xam ne euh, politiciens yi loolu lañ leen bakkee mooy wor ànd ak nit ba mu daanu ngay wax lu ñaaw ci deram di koy yàq loolu baaxul yaakaar naa ni euh, war nañu légiférer il est temps que ñu légiférer par rapport à tout ce qui transhume képp koo xam ne nga nekkoon ci nguur wa nguur ga daanu nga bàyyi fa nguur gi dem fekk geneen nguur dañ la war a tere sa giiru dund nga wote parce que loolu tant que defuñu ko Euh, dañuy joxe prime à la transhumance ku transhumé ñu jox la compala dara jox la mel ni euh, chocolat bu ñuy maye wala gâteau bu ñuy maye loolu baaxul baaxul ci jiko baaxul ci aada baaxul ci réew ndax loolu euh, dañuy xool impact bi muy def ci xale yi parce que dañuy jàpp ne pour nga mën a tekki dara il faut nga mën a wor te wor moom baaxul waaw loolu daal